Nigériens, Nigériens, mes chers compatriotes, pour la prospérité de la culture, le studio Kalangu présente l'artiste s'exprime. L'artiste s'exprime, une rubrique de l'émission Tous à la une émission consacrée à l'art et à nous qu'il nous nous sommes déplacés de Niamey à Agadez. Nous avons parcouru plus de 900 km à la rencontre de la jeunesse de l'Aïe. Sur cette émission, Ladies and Gentlemen, nous allons recevoir un acteur culturel, un jeune qui se bat de jour comme de nuit pour faire rayonner la culture de l'Aïe. Ensemble, nous allons fraterniser. Ensemble, nous allons travailler dans le but de progresser ici au sein de l'AI. Ladies and gentlemen, ce numéro reçoit Mr. Biano. Biano, comment tu vas Ça va très bien. Tu pètes la forme ou c'est la, femme forme qui te pète Non, c'est bon. Vice versa. Vice versa. Alors aujourd'hui, nous allons parler de toi sur cette émission. Nous allons te permettre donc de t'exprimer euh, pour permettre, euh, bien à tout le Niger, à toute cette jeunesse qui nous kiffe, euh, d'avoir de, un certain nombre d'informations sur ta personne. C'est important. Biano. Merci. Qui est Biano Bon, Biano, c'est un jeune. Ok. qui est un peu plus connu sur Twitter et Facebook. Ok. À travers peut-être des, merveilles d'Agadez et certaines images. Biano, donc, c'est un jeune influenceur qui quand même fait la fierté de l'Aïr à travers la culture. Oui, effectivement, à travers un branding personnel qui est légèrement collé, à savoir eh, la culture, le tourisme, l'histoire et la passion de la photographie. L'acteur culturel Viano sur l'émission Touche à la mesdames et messieurs. À l'état civil, comment est-ce qu'on t'appelle eh, À l'état civil, c'est Ousmane Biano Aboubakar. Ah, Ousmane Biano Aboubakar. Super. Alors, on va commencer d'abord par décortiquer Biano. On sait que c'est ton nom, mais nous savons aussi qu'il y a une activité culturelle qui se déroule au sein de l'AIR chaque année. Biano, tu portes déjà le nom Biano. Décortiquons Biano sur l'émission tout à la euh, merci bien. Donc, euh, et toujours, c'est une question qui, ce n'est même pas toujours sur l'émission, mais quand même, les gens sont toujours curieux de me demander est-ce que c'est mon vrai nom, tout ça là. Donc vraiment, c'est peut-être l'occasion pour moi de le dire officiellement. C'est important de le dire officiellement. Euh, effectivement, et bien c'est un nom authentique comme tous les autres, mhm. comme chez vous, Meiga. Meiga. Mais Hansi Amaradi. Bien sûr. donc, euh, Nous avons des Biano à Agadez. Effectivement. Ok. Donc ça, c'est des noms qui se portent depuis nos ancêtres. Mhm. Et je prends l'exemple euh, quand il y, a, la naissance d'un bébé ou d'une fille, voilà, donc il y a toute une tradition ou bien une culture de, chaque peuple auquel ça porte le nom. Et c'est là où mon père prend le nom de Bianou, il est né le jour de la fête de Bianou. Ah, ok, c'était euh, ça l'histoire. Effectivement. Ah, super. Et toi, tu es d'office euh, amoureux de cette fête Effectivement, et savez, c'est là où les liens qui, il y a une attache très particulière à la fête des Biennes, auquel je suis né et grandi dedans. Donc c'est uni dans mon cœur. Tout simplement. Alors c'est de cette euh, fête que nous allons parler dans un deuxième angle. Mais avant cela, est-ce que euh, vous avez un message, un message euh, particulier à lancer à l'endroit de la jeunesse d'Agadez parce que vous préparez, n'est-ce pas, du lourd cette année Parce que nous sommes pratiquement à la fin de, la rubrique oui, effectivement, l'appel que je lance au-delà même de la jeunesse d'Agadez et mhm. de la jeunesse nigérienne, qu'ils soient qu'ils doivent attacher leur ceinture à savoir d'avoir leur identité. Mhm. Puisque les grands problèmes auxquels la jeunesse nigérienne confronte en réalité, c'est quand ils partent à l'extérieur. Mhm. C'est quand ils partent à l'extérieur qu'ils cherchent à savoir qui ils sont. Et moi, j'ai beaucoup des amis et quand ils partent, qui me suivent à travers les réseaux sociaux, qui me demandent eh, un exemple, et eh, c'est quoi l'histoire de Bianou, c'est quoi l'histoire de Kisale, du festival de l'air, qu'est-ce que c'est le Togoulda. Donc tout ça là, c'est une façon de dire à la jeunesse nigérienne de se connaître d'abord. Mhm. Il faut connaître son identité, son histoire, sa culture. Et c'est ça qui peut nous faire face au grand rendez-vous de l'histoire. Mhm. Voilà un appel que je lance à la, à la jeunesse, c'est de vraiment connaître leur histoire, leur propre identité. Voilà. C'était donc euh, Biano sur l'émission Franco Aoussa, présentée par la Misserie. On se donne donc rendez-vous demain dimanche. Même heure, même fréquence. Et nous allons parler de la fête de Viano sur l'émission de Salafana. Machine Tony. Mais avant, notre par là, qu'on l'appelle Mr. Olivier, c'est lui qui a réalisé cette émission. Et